beaucoup de citoyens aujourd'hui se considèrent comme des journalistes à travers les publications qu'ils font et ils ne se rendent pas compte de certains dangers qui les guettent. Le journaliste, lui, il a eu une formation, une formation en éthique et en déontologie qui lui permettent de connaître ses limites. Mais le citoyen aujourd'hui qui se considère comme un journaliste à travers ses publications n'a pas de béaba en matière de publication. Donc, pour le protéger. Il était pour nous nécessaire de créer cette charte pour leur montrer voilà où sont vos limites.